madame la ministre ñuy département de la ñuy euh, remercier le président Macky Sall di remercier aussi l'ancien ministre de la santé parce que euh, l'hôpital euh, régional et Hadj niveau 1 nous relevé niveau 2 Nous voulons de niveau 3 parce que vu sa position géographique Kaolak est une ville carrefour war hôpital qui répond aux normes et machallah nous avons yu ngeen ci def félicité l'ouverture d'un centre de neurochirurgie à Kaolack inauguré nañ ko le centre aussi d'oxygène de 42 mètres cubes loolu tam à saluer le centre de diagnostic aussi et d'imagerie médicale bi nga aussi def ngeen ko fa la réhabilitation la réhabilitation de du bloc opératoire à hauteur de 165 millions loolu tam ñu à mais nous avons renforcer l'hôpital en personnel bi nga xam cardiologues, cardiologue pédiatre orthophoniste pour prendre en charge la forte demande Nous avons aussi renforcer les li nga sanitaire parce que deux districts sont à nekk Le communes district de et le district de nga commune Nous renforcer parce que euh, dans la commune de Ndiafate nous avons déjà un centre de santé avec en collaboration avec les Salins de Sine nous avons fait 226 millions le ministre nous a nañu pour nous am un nouveau district pour nous enrichir la carte sanitaire du département de Nous avons aussi renforcé renforcer dëkk yu qui est une commune très éloignée et qui est enclavée. Nous enclavé renforcé ñu ambulance renforcer aussi sa carte sanitaire aussi ñu aussi li nga euh, euh, au niveau de Koutal wax deug yalla ñu ngi koy rafetlu Koutal Malick Ndiaye di remercier li nga xam moy l'action sociale la directrice sen accompagnement ñu ngi gis nga euh, la loi ñëw na déjà à l'Assemblée nationale pour ñu mëna abroger la loi 7303 bi nga xam mom mo defone village village les villagements de reclassement social ñu bugg nak wax deug yalla bu len ci dendu ginnaw parce que gis nañ ne c'est vrai amna na ku wax légui

action sociale moy ñom ñok action sociale mom moy moom mooy def procédure bi ñem ñom ñoy koy fay euh, ministère développement mais nak ñu bugg procédure bi day gudd parce que le malade bu dee euh, une personne vivant avec un handicap dafa wara a dem ba un district bombé ni Ndofane wala joggé ay côté Gadiaye ñew ba kaolak pour am la carte day difficile ñu bëggoon ngeen di euh, def au niveau des postes de santé ñom ñu fay ñëw kon ko jëlé sa def ko poste de santé chef lieu village commune bi dina mun a gën a faciliter ñi nga xam ne ñoo war a am accès foofu ñu bëgg aussi li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne aussi moom mooy IRM euh, au niveau de l'hôpital de Kaolack amuñu IRM ñu bëgg ngeen jàppale ñu si baax ñu doon laajte aussi les postes de santé yi nga xam ne parce que ñun dañuy bëri sollicitation yoo xam ne pour ñuy def ay rajo ay échographie au niveau euh, des postes de santé nous avons ñuy postes ndax poste de santé habilités nañu utiliser nga les sages-femmes si si voulez habilité nañ ko des formations yoo xam accompagner parce que nous, def dañuy bañ mu am lu affecté sur la santé de la mère ou la santé de l'enfant parce que la plupart des gens ne ay euh, partenaires mun nañ ñëw merci beaucoup.